le forum du studio le forum du studio calam, le forum du studio calam, le forum du studio Kalamgou le forum du studio calam, le forum du studio le forum du studio calam, le forum du studio calam. Mesdames, Messieurs, auditeurs et auditrices des programmes du Studio Kalangou, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce soir sur ce plateau pour le forum du Studio Kalangou. Mbakim Batoura Al-Mustafa à la présentation. Ce soir, nous allons nous intéresser à un sujet politique euh, qui porte sur la question de pourquoi autant de partis politiques au Niger. Au Niger, on sait que depuis l'avènement du multipartisme, on a un nombre important de partis politiques. 16 candidatures aux élections présidentielles enregistrées en 2016, aujourd'hui dans les préparatifs des échéances électorales 2020-2021 avec environ 140 partis politiques comptés au Niger, plus d'une quarantaine ont déposé leur dossier pour la course présidentielle. Il faut noter que c'est pour la première fois que le Niger enregistre un nombre aussi important de candidatures pour les échéances électorales, surtout pour les présidentielles. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de l'existence de tous ces partis politiques qui sont euh, en grand nombre. Comment sera l'organisation de ces élections avec un tel nombre important de partis politiques Est-ce qu'il y a la possibilité de réorganiser le système dans l'intérêt de la société Auditeurs et auditrices, chers téléspectateurs du forum du studio Kalangu, c'est pour vous apporter des réponses satisfaisantes à toutes ces interrogations posées, mais aussi à bien d'autres, que nous avons invité M. Yusuf Yahaya, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Niamey, politologue, et qui sera avec nous ce soir euh, au téléphone. Et nous avons avec nous sur ce plateau M. Sanoussi Mahaman, qui est acteur de la société civile. Il faut rappeler que pour la tenue de ce forum, nous avons invité le parti principal à la majorité au Niger et le parti Tarea, mais qui nous a promis de venir, mais qui n'est pas encore présent pour la tenue de ce présent forum, et également le principal parti de l'opposition nigérienne, Lumana, qui ne sont pas encore présents, qui sont absents pour la tenue du forum de ce soir. Les élections municipales prévues pour le 13 décembre 2020 et les législatives couplées au présidentiel premier tour pour le 27 décembre. Cette année, la Commission électorale nationale indépendante a enregistré un nombre assez important de partis politiques qui ont procédé au dépôt des dossiers de candidature pour les municipales, les législatives et les présidentielles. Déjà, plus de 41 partis politiques qui ont déposé leur candidature pour la course présidentielle. C'est à cette question de prolifération des partis politiques au Niger que nous allons nous intéresser ce soir avec euh, nos invités qui sont avec nous sur ce plateau et aussi avec euh, ceux qui seront euh, avec nous au téléphone pour intervenir en ligne. Nous allons débuter avec nos échanges de ce soir avec Monsieur Issouf Yahya, qui est politologue et ancien chercheur à l'Université Abdoumoud Niamey, qui est avec nous au téléphone. Euh, Monsieur Issouf Yahya, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui explique aujourd'hui l'existence au Niger de toute cette multitude de partis politiques euh, Je pense que dans un premier temps, euh, c'est le choix exprimé par euh, les représentants du peuple lors de la conférence mmh. nationale souveraine. Donc le Niger a opté pour le multipartisme intégral donc, euh, tous ceux qui remplissent les critères peuvent euh, euh, créer donc cette association qu'on appelle formation politique. Donc c'est une association, c'est régie et c'est un droit pour tous ceux qui remplissent les critères. Donc si nous comprenons, docteur, au Niger, tout celui qui a la capacité et le pouvoir, il peut procéder à la création de sa formation politique. Voilà, en respectant, comment on dit, la charte des partis politiques donc, qui interdit la création des partis sous, certaines euh, restrictions, certaines bases, notamment ethniques, notamment euh, régionalistes, notamment confessionnelles. Donc en dehors de ces cas bien validés par euh, les textes, eh bien n'importe qui, à condition qu'il remplisse bien les critères, peut créer une formation politique justement en, respectant, euh, comment on dit, les prescriptions qui ont été faites. Donc, euh, nous avons compris, docteur, c'est ce qui explique aujourd'hui qu'il y a un nombre important de partis politiques au Niger. Alors, docteur, dites-nous, euh, selon vous, est-ce que cela est un avantage ou a-t-il des inconvénients pour la société nigérienne Alors, ce que j'ai dit peut-être ne justifie pas le fait qu'il y ait toutes ces formations politiques. Ce qui explique les formations politiques euh, un peu touristes, c'est peut-être autre chose euh, qu'il faut voir euh, sous divers angles. Mhm. D'abord, la maturité des acteurs, des acteurs majeurs, parce que normalement, il faut avoir servi son pays et savoir en situation d'apporter quelque chose qu'on ne pourrait apporter dans le cadre euh, d'une euh, action politique et en cela, euh, il est tout à fait indiqué de créer un parti, de chercher les militants, de les former et de chercher à conquérir le pouvoir. Alors, le, le, deuxième aspect, pourquoi il y a toutes ces formations politiques, je pense que si on prend la démocratie occidentale, puisque euh, malheureusement, on est dans un système de mimétisme. On, est trop euh, sur les Occidentaux. Eh bien, euh, la, les constitutions ont plus de 200 ans. C'est-à-dire qu'il y a eu une évolution. Vous prenez la France, il y a eu au moins une quinzaine de régimes avant de déboucher sur la constitution de la 5e République française. Vous partez aux États-Unis, la constitution, elle date de 1787 avec des amendements qui étaient euh, bien définis. Alors, au Niger, la démocratie à 30, une trentaine d'années. C'est un processus. Et ce processus, euh, il faut le voir dans la durée, dans la formation des acteurs, dans la maturité des acteurs, la maturité, dans la formation des citoyens et surtout dans le but visé. Est-ce que les gens créent les formations politiques pour se réaliser, pour s'enrichir ou bien il crée pour servir la communauté. Alors de ces deux approches, vous avez une réponse sur euh, pourquoi euh, il y a autant de partis politiques au Niger. L'espace en lui-même, c'est que euh, si vous constatez, c'est beaucoup plus de jeunes formations et de jeunes gens qui sont instruits, qui ne se retrouvent plus dans les formations politiques classiques qui aspirent a insufflé probablement euh, le changement. Mais euh, euh, l'espace, quand bien même il est ouvert, eh bien, le jeu n'est pas sain puisque quand on a une formation politique, il y a déjà l'avantage d'exister. Et à partir de là, donc, ça, ça, ça prend du volume et celui qui viendrait malheureusement, euh, est réduit peut-être à, euh, un recrutement, certes qualitatif, mais beaucoup plus axé sur un peu euh, les grandes villes. D'accord. Donc, euh, merci, euh, docteur. Nous avons compris qu'au euh, Niger, il y a plusieurs choses qui expliquent l'existence aujourd'hui de nombre important de partis politiques, souvent liés à des mécontentements au sein même de certains partis qui se divisent. Nous allons revenir. Nous avons avec nous notre invité de la société civile, monsieur Sanoussi Mahaman, qui est acteur de la société civile. Monsieur Sanoussi Mahaman, que pensez-vous aujourd'hui de l'existence de tous ces partis politiques euh, au Niger qui sont euh, aujourd'hui euh, à peu près 141 partis politiques, parmi lesquels 41, 41 partis ont déposé leur dossier pour les élections présidentielles Merci beaucoup de me donner cette opportunité d'échanger avec vous sur ces thèmes importants qui, de, mon point de vue de façon globale, pose la problématique de la démocratisation de la vie publique dans notre pays. Par rapport à votre question, notre aîné, le professeur Issou a donné certains éléments pertinents pour apprécier la question. Moi, je dirais que d'abord, euh, la question de multiplication de partis politiques ou le multipartisme a un fondement constitutionnel au Niger. Mhm. Et quand vous prenez toutes les constitutions que le Niger a connues, dont notamment la constitution qui est en vigueur de la 7e République, il y a une disposition qui est presque euh, restée constante. Il est dit dans la constitution que la souveraineté appartient au peuple et il l'exerce par ses représentants élus. Et il est dit que euh, dans cette constitution, les partis politiques participent à l'expression des suffrages. Mhm. Et ce même droit est reconnu à tout citoyen. Donc la création des partis, fondamentalement, c'est un droit qui est reconnu à tout citoyen. Et on a vu avec le processus euh, de la démocratisation de la vie publique à son début, comment des citoyens se sont regroupés sur la base des idéaux, ils ont créé leur parti. Mhm. Et après la conférence ou la transition, comment on a assisté à la création de partis politiques. De mon point de vue, le premier fondement, c'est euh, un droit, c'est une liberté qui est reconnue aux citoyens de s'organiser, et euh, d'exprimer leur opinion à travers un cadre qu'on appelle le parti politique. Au-delà de cet élément qui est très important, qu'on ne doit pas euh, nier aux citoyens, le fait qu'ils ont le droit et la liberté de s'organiser en association, en parti politique, il faut les dire qu'il y a d'autres éléments qui expliquent la euh, création de partis politiques. Donc, euh, au-delà du principe de multipartisme, politique, on a assisté à la création de partis politiques au Niger qu'on peut expliquer tantôt par la crise mhm. au sein des partis politiques. Quand vous prenez les grands partis qui ont été créés dans les sillages de la conférence nationale ou dans euh, la transition démocratique, ces partis-là euh, ils ont presque éclaté. Il y a des partis qui sont issus de ces premières générations des partis politiques. Les exemples. Et selon vous, qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette division sont euh, On va finir avec les éléments mhm. importants qui ont contribué à la multiplication des partis. Après les crises internes mhm. aux partis, il y a aussi un phénomène que nous nous appelons les raccourcis. Mhm. La politique est perçu par certains citoyens comme un raccourci pour euh, accéder à euh, dans la sphère de gestion des affaires de l'État. Donc les Nigériens, certains Nigériens ont compris qu'il faut créer des partis pour participer à la gestion de l'État dans un esprit de partage de tous les intérêts qu'on peut avoir dans le cadre de la gestion de la chose public. Il y a aussi euh, l'élément euh, qu'on retrouve chez certains Nigériens qui sont intègres, qui pensent que la gouvernance a échoué. Mhm. Il faut s'inscrire dans une dynamique de changement. Ils pensent que la classe politique qui est issue de la conférence nationale, qui a géré le processus de la démocratisation de la vie publique au Niger jusque-là, elle n'a pas apporter les changements tant souhaités par les communautés, par les populations. Il faut qu'il y ait l'émergence de nouveaux acteurs. C'est comme ça que certains ont pensé qu'ils peuvent proposer euh, des projets de société à mhm. travers des partis qu'ils ont euh, créés. Mhm. Il y a aussi un élément qui est très important qui est la création de partis satellites. Mhm. Tous les grands partis ils ont réussi à créer des partis satellites qu'ils utilisent dans le cadre des alliances stratégiques. Mhm. Et dernièrement, il y a un phénomène qui a contribué, ou deux phénomènes qui ont contribué à l'avènement de la création de partis politiques. Le premier élément, c'est le concassage. C'est une stratégie qui permet à déstabiliser un parti adverse et les, euh, euh, le phénomène de déstabilisation des partis, de concassage, a comme corollaire la, création, des, autres partis. Les exemples sont là, je ne vais pas citer des partis. Mais aussi, mhm. le deuxième phénomène nouveau, c'est le positionnement pour les élections pas les élections générales, c'est les élections présidentielles. Il y a des citoyens qui créent des partis pour se positionner. Généralement, ils se portent candidats, mais au fond, c'est pour euh, faire euh, un positionnement. Pour Je pars aux élections, euh, soutenir un candidat. Oui, les alliances donc. Les alliances, c'est comme euh, il y a une caractéristique de notre euh, démocratie, de nos élections au Niger. Euh, on pense que il y a toujours le deuxième tour, le mhm. second tour. Et on crée le parti pour mhm. se positionner au deuxième tour. À défaut d'être euh, on sait qu'on ne peut pas être élu président, mais en tant que candidat malheureux, on peut se positionner très bien pour être dans le gouvernement, pour être euh, euh, président d'une institution mhm. ou pour avoir sa part. Mais en résumé, il faut retenir que c'est un élément légal, c'est un droit, c'est une liberté, mhm. mais il y a tous les éléments que j'ai cités qui entrent d'accord, dans d'accord, cette Sanoussi, Sanoussi euh, parti politique. Nous avons euh, très bien compris, monsieur Sanoussi Mahaman. Nous allons revenir avec euh, notre invité qui est avec nous euh, au téléphone, le docteur Issoufou Haya, qui est ancien chercheur à l'université Abdoumoun de et politologue. Nous allons vous poser, docteur, la question de savoir est-ce qu'il y a aujourd'hui des inconvénients euh, de toute cette création de partis politiques qui se créent souvent pour des questions d'alliance, qui se créent euh, d'autres, euh, qui se créent pour le partage du gâteau, comme le dit notre invité acteur de la société civile, et d'autres partis qui pensant même ne, peuvent pas gagner les élections, créent des partis politiques juste pour soutenir d'autres candidats aux élections présidentielles. Alors, euh, il y a beaucoup d'inconvénients, mais c'est beaucoup plus le pays qui en pâtit. Euh, vous avez vu euh, ces 30 dernières années comment le pays notre pays, le Niger, a, a régressé. Alors, le Niger a la chance d'avoir vu sur les 30 années tous ceux qui pensaient avoir un projet de société. Eh bien, les uns et les autres euh, ont conquis le pouvoir, ils l'ont géré et la réalité est toujours là. Le Niger est le dernier pays de la planète. Alors, s'il y a une première conséquence, c'est à ce niveau. Donc, les gens ont géré le pays, ils se sont réalisés, ils se sont embourgeoisés et euh, le pays a, continué à descendre, à, à sa descente euh, aux affaires. Alors, Deuxième élément qu'on peut euh, avancer, c'est euh, que toutes ces formations politiques, elles sont beaucoup plus élitistes que, euh, prendre en considération les désidératas des citoyens. ce sont des, c'est une gestion qui est clanique, ce qui est interdit par la Constitution, qui est un peu régionaliste, qui est un peu familial et où le népotisme à droit de cité. Alors, tout ce qui est interdit par la Constitution est érigé en mode de gestion, si bien que, euh, au lieu de voir le pays, c'est plutôt des individus qui sont au-dessus du pays, des familles qui sont au-dessus du pays, des clans qui sont au-dessus du pays. Et euh, d'ici, tant qu'on ne sort pas de ce système de partage, de captation de l'âme, je pense que euh, ce n'est pas étonnant qu'on voit une émergence de jeunes leaders entre puisque euh, vous savez que depuis 1990, il y a d'un côté, euh, du point de vue associatif, les formations politiques, et de l'autre, il y a euh, cette émergence de la société civile. Donc, mmh. les uns ne se retrouvent pas dans euh, la structure euh, euh, des, autres, dans les constructions politiques des autres. Et avec le temps, je pense qu'il faut s'attendre aussi à ce qu'il y ait une autre composition, peut-être après les élections qui sont en train de se poindre. Donc, euh, docteur, si nous comprenons, euh, malgré les interdictions qu'il y a, malgré les interdictions prévues euh, dans la Constitution, il y a des partis qui sont créés sur, en faisant fi de toutes ces interdictions. Tous ces partis ne sont pas aussi démocratiques que le, le, prétendent. Vous prenez les mêmes responsables des formations politiques, ce sont eux depuis quasiment la création du parti politique. Et que quand un membre n'est pas obéissant au chef, eh bien, il est destitué. En fait, c'est une gestion un peu féodale, euh, un peu sultanale des partis politiques que l'on voit euh, dans notre pays. Et regardez euh, tous ces partis, notamment ceux qui sont en vue. le premier constat qu'on fait, c'est qu'il n'y a pas d'ouverture. Ceux qui les animent sont en train de partir, mais ils sont en train de faire aussi la place à leurs enfants, à, un peu à, leurs rejetons. Hmm. Alors, peut-on parler véritablement de, la démocratie du pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple Donc, les partis même ne sont pas démocratiquement gérés Voilà, ils ne sont pas démocratiquement gérés et pour preuve, il faut vous référer au premier, euh, comment on l'appelle, rapport de la Cour des comptes qui a euh, dit euh, des, choses extrêmement pertinentes, puisque ce premier rapport de 2012 déjà disait que les partis politiques au Niger sont de mauvaise moralité. Alors, une institution qui est appropriée, adapte, qui le dit, c'est qu'il faut la croire, puisque euh, c'est une gestion vraiment familiale et clanique qui se fait. D'accord, merci, merci, monsieur Issoufou Yahya, docteur euh, politologue à l'Université Abdelmoundé Nous allons revenir avec euh, notre invité qui est là ce soir avec nous, Monsieur euh, Sanoussi Mahaman, acteur de la société civile. Dites-nous que pensez-vous de ce que vient d'avancer Docteur Dr Yahya par rapport à cette question de partis politiques, de ce qu'avait dit aussi la Cour qui dit que les partis politiques au ne sont pas de bonne moralité. Est-ce que, selon vous. Merci beaucoup. Permettez-moi d'ajouter quelques éléments par rapport aux inconvénients que mhm. le professeur a énumérés, qui sont, de mon point de vue, des éléments euh, très pertinents. Euh, comme inconvénient, on peut euh, retenir l'aspect flétorique mhm. et budgétivore des institutions. Parce que la règle, c'est le, partage. Mhm on fait une alliance pour conquérir le pouvoir et le partager. Mhm. Ce qui fait que on assiste à des institutions de la République flétorique, à un gouvernement flétorique et avec euh, des institutions budgétivores. Le deuxième élément que je trouve que c'est un, inconvénient qu'il faut rappeler avec euh, euh, la multiplication des partis et des acteurs politiques au Niger, c'est la banalisation de la carrière politique. Mm. Avant, n'est pas politique qui le veut. Pour être un homme politique, il faut euh, avoir une formation politique, il faut croire à des idéaux, il faut porter un leadership de caractère. Et aujourd'hui, on assiste à la banalisation de la carrière politique et par voie de conséquences, à la banalisation des hautes fonctions de l'État. Aujourd'hui, un ministre, un président des institutions, je laisse les citoyens, chacun à son opinion par rapport euh, à ce que j'ai dit. Concernant l'élément euh, de la Cour, l'appréciation de la Cour par rapport euh, au fonctionnement des partis politiques, surtout par rapport à l'aspect de leur gestion, la Cour, <coughs> euh, la Cour des comptes a clairement dit dans son rapport que euh, aucun parti au Niger n'est conforme aux exigences en matière de euh, comptabilité et de leur gestion financière. Ça, on n'a pas besoin de faire une alchimie pour, le, pour croire au rapport et à cette appréciation de euh, la Cour constitutionnelle. Mais moi, en tant que citoyen responsable de ces pays, ce qui me blesse, je sais très bien qu'il y a euh, deux aspects que les citoyens doivent avoir un regard mhm. par rapport aux finances des partis politiques. Aujourd'hui, personne ne maîtrise la provenance des euh, ressources des partis politiques, mhm. ce qui leur vient de l'extérieur, comment ils mobilisent leurs fonds. Le deuxième aspect, le parti politique bénéficie des subventions, des subventions dans les ressources publiques, dans les finances publiques. Mm-hmm. Et c'est euh, cette subvention-là, il y a une répartition, la clé de répartition, elle est légalement établie, mais le parti politique ne respecte pas ça. Tout le monde sait qu'ils ne font pas la formation des citoyens, comment la subvention est répartie, c'est pas respecté, c'est de l'argent qu'on met dans la poche. Nous, nous voulons que la Cour constitutionnelle et tous les acteurs qui interviennent dans le cadre de la gouvernance veillent à ce que quand la Cour constitutionnelle produit son, la Cour des comptes, mhm. autant que moi, produit son rapport, que euh, ces rapports euh, produit un effet, que les partis politiques euh, revoient leur comptabilité, qu'ils soient conformes. S'il y a de l'argent issu de la subvention détournée, il faut qu'il paye, il faut qu'il reverse ça dans les trésors publics parce que c'est de euh, l'argent public. Hmm. Ça devient les rapports de cours des comptes comme juste une appréciation qui passe comme ça sans effet. Moi, c'est l'impression, c'est l'impression que je, les partis politiques, ne prend pas en compte les observations de la Cour des comptes et ils ne corrigent pas les impairs et surtout les malversations constatées dans leur gestion. Et ce qui est euh, malheureux, il n'y a aucun parti au Niger qui donne l'exemple, qui décide d'être modèle dans euh, la gestion de ses finances. Euh, d'accord, nous avons compris, M. Sanoussi Mohamed. Nous allons observer une petite pause avant de poursuivre nos échanges. Mais nous rappelons que nous avons bien voulu avoir l'avis des politiciens de la majorité et de l'opposition qui nous avons invités, mais qui n'ont pas répondu à notre appel pour la tenue de ce présent forum. Alors, mesdames, messieurs, auditeurs et auditrices, nous, parlons du multipartisme au Niger. Pourquoi autant de partis politiques euh, au Niger Comment gérer les élections avec un tel nombre important de partis politiques Nous avons avec nous le euh, docteur euh, Issoufou Yahaya, qui est avec nous au téléphone. docteur Issoufou Yahaya, politologue, dites-nous, est-ce que aujourd'hui, ce nombre important de partis politiques peut poser des difficultés quant à la gestion des échéances électorales Poser des difficultés ne pense pas. Il ne faut pas s'attendre à ça puisque euh, les échéances électorales sont organisées à des périodicités bien connues. Donc, euh, tout le monde sait qu'à une échéance, à telle date, il y aurait des élections et en principe, le pouvoir public a dû euh, s'y prendre pour organiser les élections en principe dans les règles de l'art. Maintenant, quelle en est euh, de la volonté des acteurs qui sont partie prenante euh, Normalement, les acteurs impliqués dans le processus donc, devraient euh, être neutres et, en tout cas, faire preuve d'une impartialité totale. Est-ce que c'est le cas La question reste posée. Toujours est-il qu'il y a beaucoup d'enjeux en on d'une gouvernance de 10 ans. Et 10 ans, euh, ça a été rose pour certains, euh, pas pour d'autres. Et euh, en principe, ce qui donne la respiration à une démocratie, c'est l'alternance. Quand on a géré, on a un bilan, c'est ce bilan qui est soumis à l'appréciation de la population et le peuple se prononce. Donc, il y a à cela, on peut ajouter le fait que pendant dix ans, il y a eu euh, quasiment deux camps diamétralement opposés. Mhm. Il y a le pouvoir et ce pouvoir ne reconnaît pas du tout tous ceux qui ne sont pas avec lui. Et en face, une opposition qui n'a existé pendant quasiment dix ans que de noms puisque le pouvoir n'a laissé aucun espace et à utiliser de tous les moyens légaux et pas légaux pour un peu museler euh, l'opposition. Et in fine, donc, à l'entame de cette euh, campagne électorale qui n'a pas encore commencé, on a vu euh, un, regain de vitalité de la part en particulier du chef de file de l'opposition, M. Mamadou, qui s'est battu politiquement, juridiquement, mais, in fine, euh, sauf coup de théâtre ou cas de force majeure, en principe, ne participeraient pas en tant que candidat au, présidentiel. D'accord. Donc, euh, docteur, docteur, docteur, nous avons euh, constaté que déjà il y a eu euh, beaucoup de candidatures qui ont été rejetées, beaucoup de listes de candidats qui ont été rejetées au niveau de la CENI. Est-ce que cela est dû à l'existence de tout d'un nombre important de partis politiques ou bien à, la non maîtrise de la procédure même des dépôts de candidatures par les partis politiques Je pense. Hein, euh, je pense euh, peut-être que ce n'est pas tout à fait cela que euh, l'erreur viendrait probablement de l'incapacité ou du fait que les différentes formations politiques n'ont pas respecté les dispositions en matière de dépôt de candidature. Il est peu probable, mais vous savez, on ne peut pas dédouaner l'administration de possibles coups bas. Euh, ça a existé, ça va exister, mais a priori, je dis bien, euh, c'est peut-être euh, l'incapacité des différentes formations politiques à constituer des listes éligibles. D'accord, donc euh, merci docteur euh, Issouf Yahya. Nous allons revenir avec notre invité, acteur de la société civile, monsieur euh, Sanoussi Mahaman. Monsieur Sanoussi Mahaman, quel est aujourd'hui, selon vous, en tant qu'acteur porte-parole du voix de, la population, du citoyen, quelle est aujourd'hui la crainte de la population face à, toutes ces échéances électorales qui se préparent avec un nombre important de partis politiques D'abord, nous, en tant qu'acteurs de la société civile qui milite, pour euh, améliorer la qualité de la gouvernance démocratique au Niger. Notre crainte avec euh, euh, la multiplicité des partis politiques, des candidats et des acteurs politiques, comme nous le savons très bien, mhm. la majorité, ce ne sont pas de vrais acteurs politiques, des vrais candidats qui ont un programme de société et qui partent en compétition électorale notre crainte que le clientélisme politique soit développé. Mhm. Nous travaillons pour que au Niger, euh, qui est euh, des de votre responsable, que les citoyens choisissent un programme, un candidat qui a des valeurs, qui a des principes, qui est intègre. Mais ces acteurs, euh, de mon point de vue, leur vision et la dynamique dans laquelle ils s'inscrivent, c'est pour euh, amener les citoyens, leurs militants et d'autres à voter les candidats qu'ils ont choisis mhm. avec l'idée euh, de partager les avantages de pouvoir parce qu'on considère que c'est un gâteau qu'il faut euh, partager. Parce qu'ils prennent de l'argent avec les candidats de leur choix qui sera au deuxième tour pour aller faire la mobilisation. Et pas seulement la mobilisation sur la base des principes, sur la base des trafics d'influence, d'achat de conscience mhm. et de toutes les mauvaises pratiques qu'on connaît dans ces pays. Donc, euh, en, tant qu'acteur de la société civile, vous collaborez avec euh, la CENI dans l'organisation euh, des élections. Est-ce que vous avez constaté des difficultés qui sont liées à ce nombre important de partis politiques dans l'organisation des élections Du point de vue théorique, par rapport à l'organisation des, élections, c'est ce qu'a expliqué le professeur. Les élections, ils ont des échéances bien connues. Mhm. Et au Niger, euh, j'espère qu'on a eu tout le temps mhm. de se préparer en conséquence pour que le nombre de candidats ne soit pas un obstacle. Et aujourd'hui, de par le monde, il y a une expertise qui est développée en matière de gestion des élections. Ça ne cause pas des problèmes de façon technique. Mhm. Mais nous, ce qui nous, euh, ce qui nous intéresse, mhm. c'est les acteurs là, dans leur majorité, comment ils se comportent dans le cadre des processus électoraux. Si c'est des euh, acteurs qui utilisent les opportunités liées à l'organisation des élections et les possibilités légales pour être des candidats et au finish prendre de l'argent avec les candidats qui seront au, second tour ou dès le premier tour pour faire l'achat des consciences, développer la corruption dans le cadre des processus électoraux, les trafics d'influence. Je pense que ça doit nous inquiéter tous et ma conviction personnelle, ces acteurs, dans leur majorité, ils sont dans cette optique. C'est aux organisations de euh, défense des droits humains et de la promotion de la démocratie, des vrais acteurs qui militent pour des élections libres, transparentes et régulières, de se préparer en conséquence pour barrer la route à ces acteurs qui font de la possibilité légale euh, un fonds de commerce. Mhm. Hein, c'est exactement de ça qu'il s'agit. D'accord, donc euh, merci, merci, Je ne sais pas si uh-huh. vous voyez de quoi euh, je uh-huh. parle. Uh-huh. Et ma crainte par rapport à la multiplicité de ces candidats, parce qu'aujourd'hui, nous savons très bien que ces candidats, ils agissent d'une façon ou d'une autre sur les électeurs. Il ne faut pas qu'ils manipulent les citoyens mhm. et les entraîner dans ces mauvaises pratiques. C'est l'occasion de uh-huh. lancer un appel uh-huh. aux citoyens électeurs de prendre conscience. Nous sommes euh, à peu près euh, à trois décennies d'expérience de la démocratie au Niger. Ce qui fait mal, chaque élection, les citoyens reprennent les mêmes erreurs et les candidats au finish qu'on consacre comme député, comme président de la République, comme, mhm. comme conseillers régionaux, comme conseillers municipaux, maires, ils reprennent les, euh, la mauvaise la même pratique, la même pratique mhm. le même détournement des deniers publics, la même négation de la démocratie la même restriction des droits humains. D'accord, nous avons compris, monsieur, Il est temps que tout le monde prend Nous allons venir à toutes ces questions d'appel et de perspective. Nous allons à présent écouter notre invité qui est avec nous en ligne, Monsieur Issoufou Yahya, docteur politologue à l'université Abdoumoundeniamé. Monsieur, euh, nous aimerions savoir est-ce qu'aujourd'hui il y a la possibilité euh, d'avoir, par exemple, un autre système qui peut permettre de réorganiser toute cette question de multipartisme, aller faire comme dans d'autres États, puisque nous constatons que dans certains États, malgré l'avancée de la démocratie, il n'y a pas euh, une pléthore de partis politiques, il n'y a que souvent deux, voire un nombre restreint quand même de partis politiques qui à la quête du pouvoir Cette éventualité, euh, pour moi, elle rentre dans euh, l'évolution même de l'idéal démocratique, puisque euh, c'est un processus qui prend des années, qui va avec la posture à la fois des acteurs et le comportement des électeurs de la population. Là, moi, il y a deux choses peut-être que je euh, je retrouve un tout petit peu, euh, en ce qui concerne les élections en cours, c'est le fait que l'aspect consensuel n'a pas prévalu et que euh, elle aurait dû être, la préparation et l'organisation auraient dû être totalement inclusive, mais ce caractère inclusif n'apparaît pas. Du... Et pourquoi dites-vous, docteur, que ça n'a pas été consensuel, le caractère inclusif n'a pas été respecté oui, vous savez, les élections, c'est l'affaire de tous. C'est pas parce qu'on est au pouvoir que les élections vous appartiennent ou vous êtes exclu du fait que vous êtes à l'opposition. c'est une affaire nationale, d'intérêt national et que chacun a sa partition à jouer. Maintenant, euh, par rapport aux, acteurs et aux institutions en charge des élections, moi je pense que euh, que ce soit les institutions ou les acteurs, ils doivent avoir à l'esprit que ce sont des responsabilités historiques qui nous ont et qu'ils doivent s'acquitter d'un devoir, parce que euh, si, si, jamais ça devrait déraper, en partie, ils auront à répondre euh, devant l'histoire. Nous allons écouter notre euh, invité de la société civile, acteur de la société civile, Monsieur Sanoussi euh, Mahaman. Dites-nous aujourd'hui, euh, est-ce que selon vous, on devrait au Niger aller vers le regroupement de ces partis politiques pour un peu créer les conditions de faire en sorte qu'il y ait un nombre restreint de partis politiques ou bien il faudrait laisser dans cette tendance où il y a beaucoup de partis politiques qui partent à la quête de pouvoir et qui finalement ne font que la promotion de partis qui n'ont pas une formation assise politique comme vous l'avez dit tantôt Moi, de mon point de vue, euh, le multipartisme en tant que principe n'est pas un problème. Mhm. Et mieux, c'est une revendication du peuple nigérien, une revendication historique qui a abouti. Je pense qu'on n'a pas le droit de remettre ça en cause. Mais il y a des pratiques et des travers mhm. qui assaillent notre démocratie. Nous avons une charte des partis politiques, nous avons des lois, nous mhm. avons une constitution. La faiblesse de notre système démocratique réside dans les acteurs. Mhm. C'est une question d'hommes et de femmes. Mhm. C'est une question de respect des principes et des valeurs, des respect de la légalité. Mhm. Et c'est ça qu'il faut assurer. D'accord, merci. Nous avons compris euh, Monsieur Sanoussi Mahaman, acteur de la société civile euh, nigérienne. Nous allons, avant de d'achever notre, puisque nous sommes presque à la fin de notre forum de ce soir, nous allons écouter euh, Docteur Haya en guise d'appel, en guise de perspective. Aujourd'hui, quel appel avez-vous à lancer à l'endroit de tous les Nigériens face à cette question de multipartisme et surtout au regard des prochaines échéances électorales qui s'approchent qu'il faut peut-être euh, euh, rappeler aux uns aux autres, c'est que nous n'avons euh, qu'un seul pays, le Niger. Ce pays, quoi qu'il arrive, nous allons y demeurer et vivre, et nous sommes condamnés à vivre ensemble. Et que les élections, c'est des échéances à périodicité fixe, et bien, puisqu'elles vont intervenir après les, élections, donc les, le vainqueur va gérer le pouvoir, le vaincu va observer. Eh bien, je pense que euh, il serait mieux pour chacun des acteurs euh, de voir euh, l'intérêt du pays et surtout quand on a gagné, il faut savoir que on est élu quand le nouveau président, c'est le président de tous les Nigériens, pas le président d'une partie des Nigériens. Donc qu'il y ait un sursaut au d'orgueil que le vainqueur euh, soit reconnu par les vainqueur et que l'avenir soit tourné euh, pour euh, le futur et le bien-être du Niger. D'accord, merci docteur Issoufou Yahaya ancien chercheur politologue euh, à l'université euh, Ndeniame. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de notre émission Forum du studio Kalangou qui nous a permis euh, d'échanger sur la question de pourquoi autant de partis politiques euh, au Niger. Nous avons retenu dans ce forum qu'il faudrait créer les conditions de faire en sorte qu'il y ait un engagement sérieux, qu'il y ait des hommes et des femmes qui peuvent s'engager en politique avec une formation sérieuse pour apporter un plus dans la gestion des affaires publiques, créer les conditions d'éviter les achats de conscience et créer les conditions de faire en sorte qu'il n'y ait pas de parti qui se crée juste pour des euh, probables, des éventuelles alliances. Il faudrait, euh, comme le dit docteur Issouf Yahya, voir l'intérêt du pays, savoir que les Nigériens n'ont qu'un seul pays à défendre, ils doivent le défendre dans l'unité et qu'on crée les conditions, qu'on crée les conditions de voir tous vers un avenir radieux pour le bien-être de la population nigérienne. En espérant que le forum vous a permis d'avoir des réponses satisfaisantes aux questions que vous vous posez quotidiennement, nous vous disons merci pour votre fidélité au programme du studio Kalangu qui sont diffusés à travers euh, nos 46 radios partenaires et euh, sur 6 télévisions partenaires dont 5 euh, à Niamey et une télévision à Zender. Nous étions dans ce forum en compagnie de Sanoussi Mahamad, acteur de la société civile, de Issoufou Yahaya, docteur politologue ancien chercheur à l'université de Niamey, qui a intervenu en ligne. Nous avons invité les deux parties le principal parti à l'opposition, le parti Lumana, et le principal parti à la majorité, le PNDS Tarea, mais qui nous n'avons pas compté parmi nos invités d'aujourd'hui. Ils ont été absents pour la tenue du forum de ce soir. Présentation, Bakim Batoura Al-Mustafa à la régie technique Seni Isaka. Merci et à bientôt pour un autre forum sur des thématiques d'actualité.